c'est vital. L'eau c'est vital. Nous ne pas de, de, de, de, maltraiter les travailleurs. Nous ne les faillons. Nous ne faillons les travailleurs, nous ne les faillons. La société SDF, e moo gën a nekk société bu nga xam vraiment importance chaque demi ndox la c'est vital comme nous bu ñu fa les travailleurs c'est pas normal c'est pas normal na leen satisfait à 100 pour cent amul benn boo xam nekk na fii ci au Sénégal ëpp rendement à la SDE amul y en pas

L'ASD dort aujourd'hui parce que tout simplement on est en mouvement d'humeur de deux heures de temps. On a démarré à 8 heures, euh, on va terminer à 10 heures. Donc on est en train de faire euh, un point sur une question qui interpelle l'intérêt général des travailleurs de SD. E. C'est dire quoi aujourd'hui euh, sur les négociations qu'on avait avec euh, le ministère de l'eau, euh, on avait déjà arrêté un certain nombre de décisions avec le ministre sortant, Mansour Faye, qui aujourd'hui nous avait laissé des dispositions. Le nouveau ministre qui est actuellement là, Selim Baïtiam, quand il est venu, nous, nous sommes en train de discuter avec lui et sur les points lesquels on est en train de discuter, il y avait un point qui concerne les 15% que nous avions demandé par rapport à notre participation au capital de la nouvelle société qui sera mise en place. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une réponse favorable. Et plutôt, il y a un dilatoire qui est en train d'être fait sur cette question. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à se mettre ici d'or pour montrer notre indignation, nos inquiétudes euh, déplorer et que pour que la population sache que demain, peut-être, il peut arriver autre chose que nous ne maîtriserons pas, mais que les secrétaires généraux nationaux vont essayer de développer. Puisqu'il y a le secrétaire général national, M. Eliman Diouf, qui est également secrétaire national euh, du syndicat SAT, mais il est également secrétaire euh, national d'une centrale, la CSA. Il y a également M. Baba Ngom, qui est secrétaire national aussi de Syntec, euh, Synthèse, euh, Synthèse, qui aussi va faire un communiqué sur le plan national en Wolof. Donc c'est les deux secrétaires généraux qui sont désignés par tous les travailleurs de manière unanime pour que ces communications se fassent sur le plan euh, Wolof comme sur le plan euh, français, mais au niveau du territoire national. Au-delà même des lenteurs, pour l'instant, le ministère avait proposé, euh, pas les 15%, mais il nous a dit 5%. Rien que 5%, et ces 5% sont, euh, selon le ministre, on va faire une répartition entre la SONES, euh, la, SD et ONAS. Alors que nous, on n'avait pas les mêmes, les mêmes entités. on peut dire que SONES et ONAS sont des, des sociétés étatiques. Et nous, quand même, sur euh, dans la société, euh, dans le capital de la société sortante, euh, qui est SDE, nous, on avait nos 5% déjà. Donc si nous demandons 15% et qu'ils soient dans les dispositions de nous mettre 5%, et ces mêmes 5%, non seulement nous, nous avons dit que c'était trop peu, parce que nous, on avait de quoi payer nos 15%, donc lui, il ne nous donne pas les 5%, les 15% plutôt, il nous donne les 5% et il nous demande de faire une répartition sur les 5%. Donc, tout le euh, partage que les, secrétaires généraux ont déjà mis sur, sa table pour pouvoir mener à bien les discussions, lui, il n'est pas encore en mesure de nous donner une réponse favorable. Voilà une des questions qui fait que aujourd'hui euh, nous sommes là pour montrer notre indignation à la population. waaw dañu nous ci euh, sur agence

léegi nak ñun ñu nako ñun comme dañu am baaxoo di bok ci capitalu société bi fi nek ndax ñoo fi liggéey la te it wax deug yalla 22 ans mbala lu ko ëpp liggéey nañ ci lo xamante tay tey war nañoo mën ñun am ay représentant war nañoo mëna a itamit am suñu loxo ci biir entreprise bobu nu nako ñun dañoo bëgg am 15% pour cent li ma lay fàttali mooy amoon nañ 5% ci société bi nga xam ne mooy SDE kon ñu ne léegi dañuy constituer société bu bees ñu ne ko ñun ci pourcentage bi nga xamante ne jox nga ko société bi nga xam ne mooy ñëw ak li nga xamante ne jox nga ko nationaux yi yow gouvernement du Sénégal am nga war a tolloog vingt cinq pour cent mais ñun travailleurs am nañ tamit sañ-sañu laaj ñun mu bëgg a am quinze cent ndax mate nañ ko liggéey nañ fa am nañ itamit lu war a mën a taxaw pour ñu mën a joxe lool suñu secrétaire général yi nag bi ñu demee di négocier avec le ministre gis nañ ne ci poñ boobu parce que am na yeneen poñ waaye poñ bi nga xamante ne nii tey moo gën a tax ñun ñu am tiitaange ba génn ci mbedd mii ñëw toog fii pour wan population bi que ñun kontaan nañu mooy ministre bi dafa ne du jox 15 pour cent waaye daf ñuy jox 5 pour cent 5 pour cent dañoo jàpp ne dafa néew dañoo jàpp ne itamit moom ni muy doxalee euh, itamit négociation yi yéex na yéexaay boo xamante ne nii ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo toog ak moom. muy Elimane Diouf nga xamné moy secrétaire général national bu SAT SDE ak ki nga xamante ni moy Baba Ngom muy secrétaire national bu CITES euh bu SDE ñooñu ñaar nek nañ ñoo xamante ni ñom ñoom ñoo yore suñu communication sur l'étendue du territoire Elimane mom moy wax version bi nga xamné ci tubaab la Baba Ngom moy wax version bi nga xamné ci olof la ñun dañu nek fi ci Thiès. pour wax leen rek suñuy suñuy ñaxtu ñoom nag ñoom ñoo yore coordination lépp lu nga xamante ne communication la joxe nañ seen i numéro de téléphone képp koo xamante ne nii mën nga jot nooñu nga jot leen pour ñu wax leen yeneen ci poñ yi ñun nag dañoo génnoon tey pour respecter moo d'ordre bi nga xamante ne ñoom secrétaire général ñoo ñu ko jox fii ci Thiès wan population bi nekk na ñun kat fii ñu jëm ñoo ministre bi daal euh, daanaka daal xeeñagul neex.